salaamaaleykum maa ngi nuyu maa ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent maa ngi tudd Dieynaba Sow dëkk Diass parce que man war naa fu ne fu ne dem naa foofu pour mu faju mënuma ko am seen mi nekk Diass nekk pharmacie Diass moo ma boole ak waa waa am mu indi ma fi bi ma ñëwee fii nag sant naa yàlla bu baax a baax a baax sama doom faju na macha allah. problème rek dëkk bi yëpp man danga maa si am doom bu mel noonu ñi may daw ñii ma daw ñii ku ne damay def wax waaye mu jàpp si yàlla rek fu ne fi ma dégg damay dem foofu moom xale bi si demee foofu ba mu ñëw mu ne ma yaay yóbbu ma fenn mu yóbbu ko mu dem faju ji kontaan ak xol bu sedd ci AMRES di kontaan ci ñoom bu baax a baax ndaxte vraiment am naa jafe-jafe bu rëy Dakar nit buy wax day wax digganteem ak yàlla rek jaar naa fu ne am na hôpital yoo xam ne jaar naa fa daw un an mu jóge fa demaat beneen hôpital daw fa neuf mois hôpital boobu nag moo ma transféré fii indi ma fi mais fii bi ma ñëwee vraiment am reste content ci ñoom bu baax a baax suma xol seet na guy xale bi opéré nañ ko opéré bi jaar na yoon lépp dox na jaar na yoon content naa suma xol seet na guy di leen ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla yokk mën-mën bi suma xol seet na lool bi ma ne cëpp ci hôpital bi fii ak iir bi ma njëkk a def moo njëkk dal suma xel Moi c'est Dr Adamson, je suis euh, médecin-chef ici et réanimateur, anesthésiste de l'hôpital Batimer. L'hôpital Batimer, euh, c'est un hôpital euh, confessionnel parrainé par la Fraternité évangélique du Sénégal. Donc depuis dix ans, nous nous sommes investis dans la prise en charge de cette malformation. Euh, qu'on appelle Bec de Lièvre. Euh, en tant qu'hôpital, on a travaillé avec plusieurs partenaires euh, à vouloir répondre à ce besoin de réparer le porteur de fente labiopalatine. Alors donc, c'est cet hôpital qui a accueilli pendant cette semaine, avec parrainage d'AMREF, le professeur Anne Sankale et son équipe. et je crois qu'on a eu un très bon camp avec 31, euh, 32 malades opérés. À différence en est que euh, cette malformation euh, peut être affectée tout simplement les lèvres, mais aussi ça peut affecter le palais. Donc il y a certains patients qui, ont le 2 1 en même temps. Donc on opère en même temps le palais et les lèvres. Donc on peut avoir 30 patients, mais plus, plus, des opérations parce que euh, si tu as un palais, euh, ça prend beaucoup plus de temps que d'opérer une lèvre. Comment s'est fait l'organisation On sait qu'il y a de bonnes prise en charge euh, au préalable avant l'opération. Alors donc, ça commence souvent par la sensibilisation des populations, le, le, recrutement des cas, et ça, cette fois-ci, ça a été fait euh, pour la plupart par Amref, qui a, qui a récupéré euh, recensé plus de 50 patients qui se sont présentés ici à l'hôpital pour le triage et des consultations pré-anesthétiques, là où on a arrêté une trentaine de patients. Donc, euh, à partir de, là, nous faisons la programmation pour, pour, pour les chirurgies, pour les patients qui sont aptes être opéré. Donc c'est une partenariat, l'organisation. Ça commence avec beaucoup de sensibilisation. Euh, et puis euh, au niveau de l'hôpital, euh, des consultations, des analyses de bilan et de programmation avant qu'ils soient opérés. Il y a aussi une organisation logistique. L'équipe de Dakar, il faut trouver où ils vont loger, manger, ainsi de suite. Euh, donc il y a toute une organisation administrative derrière. Euh, alimentation, qu'est-ce que les malades vont manger, ainsi de suite. Donc c'est beaucoup de travail. On sait également qu'ils viennent de l'hiver. divers. Euh, comment ça va se passer pour le suivi des, des, opérations après traitement, après opération, le traitement Voilà, le, après, les opérations, euh, mon équipe souvent reste derrière pour, le suivi des patients. Donc on les voit souvent 7 euh, jours, après 15 jours, après on les, convoque euh, après 30 jours pour, le suivi, pour voir que les plaies sont propres et que la cicatrisation est correcte et, et pour gérer des petits soucis qui peuvent y arriver. Euh, pendant cette période, de, récupération. Donc le suivi, ça va jusqu'à jusqu'à jusqu'à trois mois. Euh, donc il y a une prise en charge euh, immédiate et à long terme. Je suis le professeur Anne-Aurore je suis le chef du service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique au niveau de l'hôpital Le Dantec. Et donc je viens régulièrement à Thiès dans le cadre de missions pour opérer euh, les enfants euh, dans le cadre des fentes labiopalatines. Ça fait presque 10 ans, si ce n'est pas plus, qu'on vient à Thiès de façon régulière. On opère en moyenne 100 enfants par année. Donc on est pratiquement à 1000 enfants opérés dans cet hôpital. Et il faut surtout savoir que c'est entièrement gratuit pour les parents. C'est-à-dire qu'ils ne payent ni l'hospitalisation, ni les bilans, ni la chirurgie ni la nourriture. Hein. Donc c'est vraiment des missions humanitaires et des gens viennent de partout du Sénégal et parfois de la sous-région pour qu'on puisse les opérer. Donc on a absolument besoin dans ces œuvres-là de gens comme Amref pour pouvoir laisser la gratuité euh, à ces enfants. Les fentes, si vous voulez, c'est une pathologie qui est bien plus courante qu'on ne le pense, qui se retrouve euh, beaucoup euh, au Sénégal. On n'a pas les, chiffres exacts, mais on sait que euh, c'est sous-évalué parce qu'on se retrouve à opérer des adultes. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui restent au fin fond du Sénégal, qui ne sont pas opérés, qui ne savent même pas que ça se fait opérer. Et donc euh, je pense qu'il y en a bien plus qu'on ne le pense. Les manifestations, soit vous avez une fente labiale, c'est-à-dire que la lèvre est fendue en deux et ouverte. Elle peut être associée à une fente palatine, c'est-à-dire que le palais aussi est fendu en deux. Et on répare soit d'abord la lèvre à trois mois et ensuite le palais quand ils ont environ un an. Donc ça oblige le malade à revenir deux fois. Mais si c'est un enfant qui est déjà plus âgé, qui a 6-7 ans, on peut les faire en un seul temps. On fait à la fois la lèvre et le palais pour éviter qu'il revienne deux fois. L'enfant qui a une fente, particulièrement une fente palatine, ne peut pas téter correctement. Il faut savoir que pour téter correctement, il faut que la bouche soit fermée et que le palais soit fermé. À partir du moment où tout est ouvert, la, la succion au niveau de la n'est pas possible. Donc ce sont des enfants qui sont souvent malnutris. Donc il y a un programme de prise en charge ici quand on a un enfant qui est vraiment malnutri. Il y a une infirmière qui est dessus, qui les renutrit. Et on attend la mission suivante, comme on vient à peu près tous les trois mois, on attend la mission suivante pour l'opérer. Parce qu'il y a trop de risques anesthésiques d'endormir un enfant qui est, de trop petit poids. y a troubles liés à d'autres troubles, notamment Bien sûr, ce sont des enfants qui ont souvent des troubles euh, ORL. Hein, donc qui sont souvent euh, enrhumés, qui ont souvent des otites à répétition et qui sont très fragiles, beaucoup plus fragiles qu'un enfant bien formé. Ce sont des enfants qui sont rejetés hein, dans, les villages, qui sont rejetés de la société. En général, on rejette tout sur la maman, d'ailleurs, malheureusement, hein, en disant que c'est elle qui a, la malédiction, etc. Ce qui n'est pas le cas, c'est simplement un hasard de la vie, malheureusement. Et donc ce sont des enfants qui sont exclus de la société, qui sont cachés dans les maisons et qui sont parfois même sacrifiés. On les dépose par exemple dans la forêt en disant les esprits vont venir le reprendre. Vous laissez un bébé dans une forêt pendant trois jours, vous êtes sûr qu'il va mourir. D'accord Mais il y a cette connotation mystique qui fait partie de nos réalités culturelles. Donc c'est à nous d'informer et c'est aussi aux journalistes, aux médias d'informer les gens et de passer. On utilise beaucoup les radios locales pour essayer de sensibiliser les gens et leur expliquer que ce n'est pas une fatalité et que ça s'opère sans souci. Sans souci. Y a-t-il des, possibilités de prévention Non, la prévention de la faim n'existe pas. La prévention, en dehors des risques, on dit que la consanguinité, c'est-à-dire les mariages euh, dans les mêmes familles, augmente les risques de malformations congénitales, mais c'est valable pour toutes les malformations congénitales des enfants. Mais on n'a pas de lien direct de cause à effet d'un facteur particulier. Docteur Barengay, je suis le directeur de AMREF euh, en Afrique de l'Ouest. Euh, et pourquoi cette initiative de venir réparer euh, pour les enfants qui ont la Cette initiative rentre dans le cadre de notre stratégie et qui nous permet de déployer des moyens humains, des moyens logistiques, des moyens financiers pour arriver à bout des problèmes de santé des populations nous avons compris qu'à travers cette pathologie la Biopalatine qu'il était important quand même de faire des initiatives parce que déjà il manque peu de spécialistes qui prennent en charge cette pathologie. Il manque peu d'ONG qui mobilisent des ressources pour appuyer la prise en charge. Donc pour nous, c'était une pathologie marginalisée, c'était une pathologie négligée. C'est pourquoi on l'a pris en charge pour le bien des enfants, mais également pour le bien des mamans. Le coût, ça, varie si on prend en compte euh, la mobilisation de l'équipe d'AMREF, si on prend en compte la mobilisation des spécialistes, si on prend en compte ce qu'on doit payer à l'hôpital. Je pense qu'il faut arriver jusqu'à 450 dollars par, euh, par malade opéré. Donc ces 450 dollars pour prendre en charge tous les aspects de préparation et de prise en charge du camp. Et comment vous avez fait pour avoir ces enfants sensibilisation Nous avons un réseau d'organisations communautaires de base. Nous avons un réseau de relais communautaires et nous travaillons également avec les radios communautaires. Et à travers toute notre mission de sensibilisation, le message est bien passé et on utilise également les réseaux sociaux et de fil en aiguille avec notre réseau de praticiens dans les structures de santé, surtout les sages-femmes qui voient les premières les enfants nés avec des fentes, et ils nous contactent directement. Et à partir de cela, nous, on essaie de tisser une relation avec les parents et on les rassure pour leur dire que cette prise en charge existe et que ce sera totalement gratuit pour vous. Et néanmoins, on va continuer également à sensibiliser davantage parce que nous avons compris qu'il reste encore beaucoup de cas dans le Sénégal qui n'ont pas compris qu'il est possible de traiter leur fond. Il y en a qui sont en attente oui, il y en a qui sont en attente parce qu'on avait mobilisé déjà 50 patients pour ce camp, mais on a déjà dans notre base de données beaucoup de malades qui attendent d'être opérés. Et je pense qu'avec euh, le partenariat que nous venons de commencer avec l'hôpital Bartimé, avec ce long partenariat avec le professeur Sanclay, nous allons planifier les camps ici à Thiès ou bien dans d'autres régions. waaw euh, li ñu fi dajale ci ñeenti fan juróomi fan yi euh, euh, mooy opérer ay xale yi nga xam ni dañu am feebar boo xam ni ñu ngi koy tuddee bec de lièvre bec de lièvre boo ko déggee xale bi day judduwaale tuñ bi dafay xar wala ci biir gémmiñ gi tamit timit day xar feebar boobu boo ko gisee su ko xale bi judduwaale dafay jaaxal waajuram ba nga xam ni daf leen di def problème am na nag xale yoo xam ne dañuy dem ba màggaale ko jaaxale boobu yaay ji amoon dañ koy transféré ci ku jigéen ki wala ci ku góor ki te da koy gêner trop ci màggam ak ni muy relation yi muy am ak ñi muy jàngandool ñi muy nekkandool ci famille bi ak ñi muy nekkandool ci koñ bi loolu bi ñu ko gisee ñu xam ni feebar bi néew na ñi koy faj ci Sénégal néew na ONG yi nga xam ne dañ koy appuyer prise en charge bi ñu nit ñu jug ci pour jàppale xale yooyu pour que xale yooyu retrouver sourire bi ñu koy waxee te loolu ak bokk na ci benn la rek ci action AMREF bu muy def je que ni xale yi ñu opéré bëri na ci yeneen pathologie ñu ngi koy opéré yeneen xale mais loolu yëpp day bokk ci stratégie globale boo xam ne dañ ko orienté ci xale ak ci jigéen boo xam ni ñu ngi ciy def lu bëri ci ci ci ci ci Sénégal ci Afrique même ñu ngi ko ciy def organiser euh, waaw organisation bi dafa laaj communication bu jéggi dayoo ndaxte pour nga mën a jot ci xale yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yëpp te mel ne ko Matam Kédougou Médina Yoro faw communication bi nga liggéey ci bu baax communication boobu nag yemalewuñ ko ci programme bi programme buñ mënti am rek saa yuñ ciy waxtaan dañuy jàllale waale message bi ba mu leer ci bopp nit ñi ñu wan leen ay photo ñu xàmmee feebar bi euh, sage-femme yi ñuy liggéey ak infirmier yi tamit. dañuy waxtaan ak ñoom jàllale suñu message parce que ñoom ñooy njëkk a gis xale yooyu te bu ñu leen gisee très souvent ñoom dañ ñuy woo wax nañu am nañ benn xale su ko defee ñun am na kuy enregistré suñu base de da koy enregistré ba pare jamono bu nekk day woo yaay xale bi wala papa xale bi pour di ko fàttali que ne ko fàttewuñu opération bi ñu ngi koy préparé su app bi jotee rek ñu woo leen convoqué leen ñu ñëw waaw te ñëw boobu ñuy ñëw sax dañuy leen di jàppale sax yenn saa yi ci paas waaw xam nga ñoom bu ñëwee dañuy dañuy dañuy saytu anesthésiste bi day saytu xool ñu consulter xool xool ñan ñoo ci apte pour ñu mën leen opérer ñi aptul tamit ñu daal di mën leen gis beneen yoon ñi aptoon ñoo toll ci loolu mais ñi nga xam ne tamit renvoyé nañ leen prescrire nañ leen wala jox nañ leen ay conseil wala ñu yóbbu leen faneen yi nga xam ne moom lañ gën a soxla ci jamono yi. waa topp bi mënta ñàkk looloo tax sax ñun bu ñuy wut di def yu mel nii dañuy bëgg am ak partenariat ak benn hôpital parce que hôpital service bi day continuer nga xam ni ñun buñ ñibbee équipe bu professeur Sankale bi ñibbi hôpital boobu dina mën a assurer suivi post opératoire bi loolu moo tax ñu koy defee ci hôpital yu demee nii ndax ñoom tàmm nañ ko te hoppital bi tàmm na ko lu ñu miin la te euh, am nañ yaakaar bu baax ne ñoom suivi post opératoire bi danañ ko def ni mu waree.